bëggoon naa leen xamal ni lii ma gis ci njàngat ci fukki at yi ñu weesu jëmale ko ci ay politique yu ñu jagleel askan wi pour di leen taxaw di leen jàppale jàppale leen ci seen wér yaram jàppale leen ci seen dëkkuwaay cadre de vie jàppale leen ci dooleel leen Tu lépp loo xam lu leen solidarité nationale ak si couverture sanitaire universelle dal di yaatal itam accès universel ci wàllu ndox ak courant ak ci defari yoon dafa bokk ci ay émergence dañ baral Promoville def na si ay jéego yoo xam ne xar kanamu dëkk yu bare bare soppeeku na donc loolu nag lu ama am solo la may gërëm Thérèse Faye ci liggéey bi mu def ci diir bu gàtt ndax Sénégal nag mënul yem rek ci réewu taax yi moo tax ñu ne nañu yóbbu tali fépp fu ñu ko war a yóbbu nañu yóbbu ndox fépp fu ko war a yóbbu nañu yóbbu courant fépp mu war a dem su ko defee kenn ku ne fa nga dëkk da nga fa yëg sa bopp ci ni réew mi doxe loolu mooy équité teritorial moom mooy équité sociale itam ñi nga xam ni xëy na amuñu ay liggéey ak solde war a mën a am itam seen wàll ci li réew mi doxat loolu mooy bourse yi loolu mooy mutuelle de santé yi nga xam ne ñu ngi leen di taxaw pour que pajoor gi mën a yomb loolu mooy lépp li nga xam ne moo waral tey bés bii nous défis, nous mais proposer ministre de l'Association des maires et des présidents des départements de jumeler les assises de la décentralisation et la journée de l'équité parce qu'en en fait les deux sont complémentaires parce que notre journée nationale est mu Bagabari, ce programme président mais le complément et le contenu de la décentralisation ce sont ces politiques publiques il est logique que nous défions en une même journée pour évaluer l'exactitude de la territorialité ou de la territorialisation des politiques publiques, évaluer ce qui est fait, les disparités territoriales. Là aussi, il y a un travail à faire que nous tardons à faire, c'est l'équité territoriale. Non, ce n'est pas l'équité, je vous parler des disparités, l'incohérence territoriale. Parce que nous avons des communes qui sont entourées par d'anciennes communautés rurales devenues des communes rurales et qui, les étouffent, parce que ces communes qui sont anciennes, certaines, et les premières datent de 1872, elles étaient deux, la commune de Gorée et la commune de Saint-Louis du Sénégal. En 1876, quatre ans après, la commune de Dakar a été créée ainsi que celle de Rufisque. Donc, cent ans après, en 1972, il y a eu l'acte, premier acte, ou l'acte 2 si on veut, mais disons le premier acte, 100 ans après, on a créé les communautés rurales par le président Senghor. En 72, par la région de Thiès, on a expérimenté la communauté rurale. En 96, il y a eu un autre acte par le président Abdou c'était la régionalisation. On a créé les régions comme entité élective, collectivité territoriale. Et le troisième acte a été en 2013, fait par moi-même, pour donner, redonner à l'ensemble des communes leur pleine dignité, le plein exercice par la communalisation intégrale, mais aussi la suppression des conseils régionaux et l'élaboration ou l'établissement des conseils départementaux pour une gestion de proximité kon loolu dafa leer te dañ ko war di waxtaanee pour ñu xam aussi jaar-jaar yi fu ñu jógee ak fu ñu toll te ak fu ñu jëm ëllëg kon la voie elle est tracée elle est claire la vision est très claire et nous sommes sur le chemin donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di am mbégte ci bés bi di leen wax jaaraama on jaaraama.